Hmm. c'est un discours aussi parce que je l'ai vécu et on en a discuté en interne donc moi, tax ma ne la euh, li am mooy suñ borom buy man bi nga yi commencé wul définitivement avant minuit parce que ñun nak yag nañ def élection 2009 2012 ba 2022 ba 2024 la La faut que bokk na une formation politique yi nga xam ñoo a xam luy élection ci Sénégal du local du législatif du référendum du présidentiel deux fois donc li ci nekk nak may encourager waat suñu candidat muy le premier ministre Amadou Ba mais aussi de remercier tous les militants de la coalition Benno Bokk Yakar parce que nous naaj bi tàngoon na koor lañ nekk mais nous ku ci nekk. jël nañ seen dërëm seen xaalis seen ñaq dugg ci base yi def lu ñu mën yàlla nag mooy dogal. Hmm. lu ñuy naan le destin kenn mënu ci dara Bassirou Diomaye ku ko ne woon il y a quelques années di nga nekk le président la république de ce pays xëy na dina la déedéet mais yàlla moo dogal ñun dañuy nangu. Hmm. nu mu neexee ci ñoom noonu la neexee woon ci ñun en 2012 bu ñuy fal président Macky Sall président la république au deuxième tour. ñu donnons Ablaye Wade n'était pas n'importe qui dans ce pays. donc lool la ci bëggoon en tout cas gërëm leen sant leen. di wax que voilà dinañ ci ñu ci ci Charles les leçons du scrutin. Euh, leçon du scrutin de Fénard, c'est très difficile euh, il y a eu un choix Bon, comment sénégalais Union-Codef, dans leur majorité les électeurs à 54 nous euh, avons a gagné le président Bassirou que les attentes sont désormais placées ci ay ñoo avons ñoo il se retrouve dans l'opposition et on a déjà vu Andy très rapidement se positionner si euh, opposition ci benn bataaxal communiqué nous xamante ne def nous avons euh, les leçons bon nga dawal tirer en tout cas, la, grande information que nous pouvons tirer moi, que le choix des Sénégalais maintenant pourquoi l'Oloham am Nous une une bipolarisation quand même à y y a quand même pendant trois ans où on a eu un duo euh, très contradictoire euh, c'était Ousmane Sonko et le président euh, Makisal et Ousmane Sonko qui a su euh, exister, euh, quelle que soit la situation, en bonne posture ou en mauvaise posture, il a existé. Ben affaire Bounou moi que par, contre, il formations a formation politique, par contre, elles n'ont pas pu exister. Pourquoi Parce que la presse aussi a, fait le jeu de cette bipolarisation. Ben, ils n'ont pas pu s'engrouffer pour occuper un espace. Conséquence de cette affaire-là, c'est que c'est un effondrement d'une bonne partie de la classe politique qui se retrouve réunie, nous sommes 5%. une bonne partie, beau, le président euh, Diomaye Faye, le, le candidat euh, de l'ancienne majorité, de la majorité toujours d'ailleurs à l'Assemblée nationale, euh, Moui c'est 37%, c'est quand même, le reste, c'est peanut pour certains. Donc un effondrement, mais qui ne veut pas dire que aussi, euh, ils sont finis parce qu'aujourd'hui là, nous am que les attentes sont placées euh, avec le nouveau pouvoir qui est euh, avec l'obligation l'obligation de réussir donc les autres ne sont pas complètement morts c'est le choix qui a été fait pour nous dormir. maintenant si jamais le président Jomai Faye et sa nouvelle équipe qu'il va mettre en place comme le 5 mhm. euh, ne donnent pas satisfaction euh, celui qui, quand tu ne sais pas où tu vas, tu reviens à, ta position initiale. Mhm. Donc c'est ce qu'on peut retenir. Ils ont beaucoup souffert de cette bipolarisation mhm. et aussi peut-être un travail qui n'a pas été fait, mhm. à mon sens, chez certains candidats qui n'ont pas su exister et qui n'ont pas fait le travail de profondeur. Mais même avec ça, est-ce que euh, je ne pense pas. Benen Affaire Biki, euh, il y a les 12 jours, je pense 12 jours de pénétration euh, pour certains candidats qui n'avaient peut-être pas les moyens, ça, mhm. ça a dû être très très très très difficile, mais les Sénégalais ont, avaient fait leur choix de changer. De dans la grande information, ce besoin de rompre avec ce qui était là, et puis d'avancer avec quelque chose de nouveau, avec un pouvoir, bon, à maintenir, si nous place placer, c'est un espoir.